Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونسها الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجرا ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى سورة مستقيم هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقودة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما Ma amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala le clément le tout miséricordieux qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de cette table ronde en islam en ce 19e jour du mois de décembre, c'est bien ça, de l'année 2021 qui correspond au, quatrième, au 14e jour de euh, de l'année 1443. Par la même grâce, nous nous proposons, en compagnie de notre frère Mustafa, euh, notre frère Abdel Fattah est retenu, comme on dit, par la même grâce, donc nous nous proposons, euh, conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous allons faire un rappel car Allah dit que le rappel est utile à la foi. Le rappel est utile à ceux qui portent la foi. Eh bien, l'état dans lequel les musulmans aujourd'hui se trouvent est un peu inquiétant. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous savons qu'Allah a dit dans le Coran, wa atasimu bi hablillahi wa la ni'matallahi alaykum jusqu'à la fin de ce sublime verset Allah nous recommande de nous retrouver tous ensemble autour de la kalmat tayyiba, kalmat shahada, c'est-à-dire la confirmation de cet engagement primitif que nos hommes avaient contracté dans le monde de la préexistentialité auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où en ce moment Allah parlant à, nos, à âmes, interrogeant nos âmes quand Allah dit Allah bi ne suis-je pas votre Seigneur Toutes nos âmes ont pris l'engagement et elles ont reconnu Bala Shahidana dans la pré-existentialité, nos âmes ont pris l'engagement qu'ici sur Terre, cet engagement primitif doit être corroboré par l'acceptation de la ilaha illallah. Et c'est justement à cela qu'Allah subhanahu invite toute la umma du prophète sallallahu alayhi de se retrouver, de se regrouper autour de cette euh, thématique que la ilaha illallah la et ne vous divisez point le constat qu'on fait depuis un certain temps. Alhamdulillah, quand euh, nous voyons ce qui s'est passé chez nous depuis l'avènement de la démocratie en 91, cela a permis, parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, il n'y avait qu'une seule association euh, qui a été formée depuis l'avènement des militaires, depuis le 15 avril 1974. Euh, donc il y a une association, l'association mère qui, qui, qui était là, qui existait, mais à l'avènement de, la, de, de, la, conférence nationale, cela a libéré les consciences et ça a permis la création de beaucoup d'associations islamiques et qui, à nos jours, aujourd'hui, donc 30 ans après, ont abattu un travail gigantesque, un travail appréciable. Dans la mesure où ce n'était pas les discours qui manquaient, ce n'était pas les communications qui, qui manquaient. Il y a une évolution dans un premier temps, c'est de ramener les gens vers cette confirmation de la ilaha c'est-à-dire vraiment de croire en Allah d'accepter cette religion, parce que pour la plupart de certains, l'école laïque les a complètement éloignés de cette religion, mais avec l'avènement de ces associations islamiques qui ont abattu un travail dans les radios, dans les télévisions, ainsi que euh, dans, les, dans les mosquées, un travail est là il faut, il faut le reconnaître. Mais on constate que euh, de plus en plus, euh, il y a pas mal de divergences entre, entre, entre les musulmans de façon générale. Et cela est dû au fait que certains se sont cantonnés à des réflexions sectaires, euh, c'est-à-dire l'esprit sectariste. Je suis ceci, je suis cela, tu n'es pas ceci, etc. Cela fait qu'aujourd'hui, on constate que malgré cet effort euh, que les associations ont, fourni, le plus souvent même c'est entre elles, ces associations, c'est dire que euh, le problème est, c'est comme s'il y a un autre, une autre forme de travail maintenant qu'il faille organiser afin de ramener les musulmans vers l'acceptation euh, de cette kalima, mais non seulement de l'accepter, mais également d'être ensemble, de communier ensemble, de travailler ensemble et de n'avoir qu'un seul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 Et justement, Ismaël, c'est un sujet extrêmement important, à mon sens, dans la mesure où tu as cité déjà au euh, chapeau euh, de versets très fort où Allah a dit et effectivement, il s'adresse à Moumini, ce qui porte la foi comme, comme tu l'as dit. Mm-hmm. Effectivement, et c'est à eux qu'on devrait prendre modèle. Mhm. Parce que il y a, y, a, y a, bien d'autres versets dans lesquels, entre autres, mhm. Allah a dit mhm. la kana lakum fi Ça, on s'adresse effectivement à toutes ces, catégories de gens, n'est-ce pas Tous ceux qui sont moumines et particulièrement ceux qui sont chargés des faire des, des, oas, mhm. des, transmission de messages. des transmissions de mhm. messages d'Allah, mhm. mm ceux qui sont <clears throat> chargés d'éduquer la population à travers les oas. C'est eux particulièrement que ça concerne. Donc tu vois bien que effectivement, ce que tu as dit dans les chapeaux, c'est ça qu'on remarque aujourd'hui. <clears throat> Au lieu de, de se féliciter de notre nombre, malheureusement, quelque part, il y a, je sais pas, <coughs> un complexe de mhm. leadership, mhm. un complexe <coughs> d'intolérance. Mhm. Mais est-ce que d'ignorance peut-être Non, non. Peut-être, oui. parce que quand on y est, la mission dans laquelle nous sommes, on <coughs> a créé juste l'association pour créer l'association. Il va de soi à ce qu'on tombe dans ce genre de choses. Il y a vraiment une, une, sorte de hasad. C'est pas un truc qui devrait euh, de tel propos. Euh, au contraire, c'est moi. Ou bien, c'est bon, des trucs comme ça. Mhm. Nous vivons dans des associations, nous sommes des leaders, nous sommes des fondateurs, des promoteurs d'associations. Mhm. Mhm. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Et effectivement, c'est avec regret. Et on le fait, c'est pas pour indexer, mais c'est pour que nous nous corrigeons nous Tout à fait. Parce que tu as parlé effectivement, <coughs> de ton chapeau, des il faut se rappeler, il faut faire des rappels, il faut se rappeler, il faut se souvenir des mauvais actes qu'on a posés ou des bons actes qu'on a posés pour les pérenniser et les mauvais les corriger. Et c'est dans ce sens que moi je trouve que si jamais on ne corrige pas, personne ne va venir le faire à notre place. Mm-hmm. Ça, c'est euh, d'un autre côté. D'un autre côté, ça n'avantage pas la mission pour laquelle nous sommes investis. Mhm. Parce que là également, Allah subhanahu wa ta'ala dit euh, <clears throat> mhm. Aujourd'hui, mhm. on peut se dire qu'on si on n'en est pas, mais on est à côté de Tazahaburihana. Parce que nous commençons déjà à nous mélanger. Et, et, et qu'Allah nous préserve. Et tout ça, pour rien du tout, parce que ça n'avantage pas les, musulmans qui sont à, notre écoute, mhm. ça ne nous avantage même pas nous-mêmes, mhm. ça n'avantage personne, ni nos familles, ni personne. Mhm. Donc moi je crois que effectivement on devrait se, regarder les yeux dans les yeux, s'arrêter, se, faire son propre mais à pas. Vraiment, le sentiment d'intolérance que nous constatons aujourd'hui et qui a des connotations religieuses, c'est le fait excusez-moi, de ces organisations religieuses-là, mhm. qui, ma foi, sont nombreuses mais mhm. pas efficaces. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une coordination, une coordination au point de vue euh, dans le travail. <coughs> Dans le travail, dans la mission que nous sommes investis. Parce qu'on ne crée pas une association islamique comme ça. On ne crée pas une association islamique. Qui crée une association islamique, c'est comme si tu te portes volontaire à aller dans une guerre sainte c'est pour transmettre les messages. Mm-hmm. C'est pour être daya, mm-hmm. quelqu'un qui fait de l'appel, les mm-hmm. prédicateurs. Quand tu crées l'association islamique, c'est pas pour parler de de, ce que je peux gagner si je fais ça ou de ce que je dois faire si je fais ça. Non, c'est pour qu'est-ce que je vais faire pour que les musulmans soient à un niveau mhm. appréciable de la l'exercice de la foi. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que je vais leur apporter pour qu'ils comprennent Ce n'est pas les thèmes, ce n'est pas les sujets qui manquent dans les... 5000, euh, je 5995 versets du Saint-Coran. Chacun, quand une association prend un verset et dit que moi je vais faire la dawa par rapport à à ces versets-là, mais elle va passer toute sa, durée de vie qu'on lui a donné mm-hmm. à, lui, à affecter un arrêté, mm-hmm. sans finir ce temps. Mm-hmm. C'est ça qu'on vit. Il faut rester là où tu es. Donc, tu es là où tu es. Moi, je crois que euh, euh, l'intolérance n'est pas musulmane. L'intolérance n'est pas musulmane, l'intolérance n'est pas surtout les leaders religieux, s'il vous plaît. Mais quelle religion Islamique. Donc, vraiment, l'intolérance n'est pas voilà ce que je peux dire comme introduction. Inch'Allah, on va développer ça pour voir le contour de la question, voir ce qui, ce nous a conduit là Tout à fait. et ce qu'on peut faire pour arrêter et arranger les choses et continuer. Tout à fait. D'ailleurs, en termes de rappel, <coughs> euh, le travail des associations islamiques, c'est le relais, c'est le travail que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Il a laissé au calife, alhamdulillah, ils ont accompli un travail gigantesque. Après les califs viennent ceux qui viennent après, ceux qui sont venus après, après, après, jusqu'à ce que ça vienne euh, au nom. Or, la, logique veut que, tu l'as dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa doit constituer l'exemple. Parce que quand vous constituez une, association, eh bien, ma foi, vous admettez que vous allez faire le travail du prophète, que le prophète sallallahu alayhi a laissé. Or, et au prophète même sallallahu alayhi wa sallam, nous, a, nous savons que Allah l'avait dès les premières heures, dans le cadre de sa propre formation, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit فبما رحمة لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا ce verset est éminemment révélateur dans le cadre de la da'wa au prophète sallallahu alayhi wa sallam dès les premières heures Allah l'avait prévenu si tu serais intraitable tu serais dur euh, donc euh, tellement rude vis-à-vis de ces gens qui t'entourent parce que toi tu as compris tu veux le faire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était seul croyant à la Mecque à un moment donné regarde euh, maintenant comment Sadawa s'est répandu. Il est d'ailleurs, il, a, il avait pour mission de répandre cette mission sur l'ensemble de la terre. Et aujourd'hui, Alhamdulillah, de Alamin. Mais dès les premières heures, Allah lui a dit c'est par la, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa que tu arriverais à avoir des gens tout autour de toi qui t'entendent et qui essaient de comprendre et afin d'accepter ce que tu es en train de communiquer comme message. Parce que si tu aurais été dur, mais il allait complètement s'en aller autour de toi, il te, il te Alors, par rapport à cela, le tort qu'ils t'ont fait de toi à eux, parce qu'ils ne savent pas d'abord qui tu es, tu es le prophète d'Allah. Donc, le tort qu'ils t'ont causé à toi directement, il faut le leur, il faut passer. Et demande le pardon de ce péché demande à ton Seigneur Allah de leur pardonner pour le péché qu'ils ont commis et ensuite associe-les dans regardez trois conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait remplir pardonner lui-même demander le pardon et puis associer ces gens n'est-ce pas dans le cadre de ce travail parce que s'il était extrêmement dur eh bien les gens allaient s'enfuir autour de lui et il ne aurait pas écouté c'est la même chose que celui qui aujourd'hui euh, a pris cette euh, euh, fonction, ce désir de vouloir satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et mériter des hasanats dans l'au-delà, il doit se conformer à, ce que, à ce qui a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et, à ce qu'il lui-même a, fait, il a accompli et il a recommandé. C'est-à-dire, il faut être tolérant quand vous voulez. Si nous avons compris, c'est comme un enseignant. Si les enseignants s'énervaient, nous, on serait plus lettrés. Parce que si le fait que nous ne comprenons pas, ils vont, ils vont se fâcher. Non. Un, un, un, Quelqu'un qui, un daï, de façon générale, c'est un enseignant, c'est un professeur, c'est un maître, c'est un conférencier. Alors, il faudrait qu'il comprenne lui-même le prophète Il a dit, dans pas mal de cas, « a ala Mhm. Quand vous allez passer un message, parce qu'aujourd'hui, un, un prêcheur, vous êtes mécréant, vous êtes vous êtes des. Non, le message ne passe pas. Et c'est justement cette intolérance-là qui a fait que, euh, Alhamdulillah, au Niger, comme nous le disons, le travail abattu. Et euh, ah. le plus grand travail été fait par Allah Nous sommes à 98% musulmans, personne ne nous a obligés à l'être, c'est la volonté d'Allah. Alors, donc maintenant, ce qui reste, c'est comment ramener les gens à comprendre cette religion-là. Et c'est le travail de ces associations islamiques Vous savez, Ismaël, c'est que si on a compris que la tolérance islamique, bien sûr, dans le, cadre islamique, mm-hmm. si on a compris que la tolérance, c'est une règle mm-hmm. pour qu'on puisse vraiment cohabiter et vivre, hein? même avec ou envers, même envers ceux qui ne sont pas des musulmans. Bien sûr, les conditions musulmans sont connues. Hein. Donc, euh, on devrait pratiquer ça. cest un ordre d'Allah. Mm. Il a dit beaucoup de choses qui, qui, justifient cela. Mm. Donc, on n'a pas besoin vraiment de transverser. Et quand on, quand on prend le prophète a donné un, modèle. Mm-hmm. Comme a dit le verset là, mm-hmm. euh, vous avez un prophète, mm-hmm. vous avez un, messager, un messager, n'est-ce pas Un modèle à suivre. Tout à fait. Et effectivement, il a, il a donné des exemples. Avant lui-même, lorsqu'il il, a, il, a, failli être euh, un peu rude dans, dans sa prise de position, parce qu'il a voulu, dans un premier temps, vous pensez que tout le monde doit comprendre tout de suite Tout le monde est tenu et mm, mm, obligé de comprendre mm, tout de suite, tout C'est Allah qui lui a dit que non, non. Donc Allah a expliqué que c'est pas de cette manière. La, meilleure pédagogie, c'est d'être doux, d'être un peu très très doux, très simple, tolérant. La tolérance est là. Donc sans tolérance, on ne peut pas mm-hmm. Maintenant, tu as parlé aussi des de brimades que le professeur Marcel a, a, ah, ah, ah, à la mm-hmm. porte. Mm-hmm. À cause de ça, de sa mission. Hmm? Vous savez, Ismaël, le professeur a vécu 11 ans 11 ans à la Mecque. 13 mm, ans, 13 ans à la Mecque, exemple. 13 ans à la Mecque, mm-hmm. sous la torture, mm-hmm. sous le bannissement, sous vraiment. Mm-hmm. C'est à même, on vient, on, cache sur son visage. On lui cache, on touffe sur lui. Les bédouins, les bédouins qui ne sont rien, hein, les bédouins, les, les, les campagnards, ils viennent, euh, le, on fait. Et c'est en chaîne, en défilé. Et il a, il a, patienté. Et c'est qu'il y a des gens qui les ont poussés. Et c'est qu'il n'y a, aucune, a aucune euh, base solide qui a conduit à ça, là, ou bien qui les dicte cela. Ce sont des gens qui sont là, qui sont des intolérants, qui sont des choses, pensant que le professeur lui-même, il est un intolérant c'est qu'elle allait réagir. Oui, justement, elle allait réagir comme eux. Et puis bon, on va dire que voilà, on vous a dit que c'est pas, pas un prophète, c'est un homme simple. C'est un bagarreur. C'est un bagarre C'est un homme simple voilà, qui, a, qui comme nous, un homme lui-même Parce que eh, de toute façon, il a les choses. Donc il a laissé, il a, il a, il a, il a, il a, il a il a accepté ça. Et dans un hadith de euh, Abu Said, mhm. bin Sina mhm. euh, al-Khudri, il a dit La darara mhm. لا تضروا ولا تبدلوا الدر Il dit ici, le prophète a dit dans ses hadiths, n'est-ce pas Ne faites pas de mal. Ne placez pas quelqu'un, ni dans la parole, ni dans les règles, ni dans les actes. Hein? Et ne rendez pas les mal par le mal. Tout à fait. Imaginez, mm, mm. Hikma. Mm, ça, c'est la sainteté du professeur Lassallam. Et il a dit, de l'autre côté, dans un autre hadith d'Abu Huraira, il dit, c'est un long hadith, mais je vais le procurer rapidement. La tahsudu wa la tahtaqinu ba'dukum ala ba'd wa la takrahu ولا ولا تسرفوا بالانحراف تجاه الغير ولا wa la توافق بتجارة, بتجارة, بتجارة, زالمة مع غيرك وكونوا يا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحجره ولا يكذبه ولا يحتقره آه، التقوى ها هنا le prophète a montré آه، et le hadith est long ici le prophète bannit il bannit le hasad N'est-ce pas Donc la jalousie, mm-hmm. l'envie. L'envie de quelqu'un, tu envie à mm-hmm. quelqu'un mm-hmm. parce que Allah lui a donné une certaine particularité qu'il ne t'a pas donné alors que vous êtes dans la même, dans dans la même enceinte. ça, c'est ça qui amène ça. Il dit euh, euh, ne, le maudis pas, n'est-ce pas ne, le rejette pas, n'est-ce pas Ne le haïssez pas et n'agissez pas avec perversité les uns à l'égard des autres et ne concluez pas d'achat mhm. au détriment des uns aux autres. Mhm. Soyez, au oh, vous, serviteurs d'Allah, mhm. une même chose, des frères. De toute façon, en tout état de cause, le prophète a dit Attaqwa donc ici, vraiment, c'est... La grande la, Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça les, la base même, la base de tolérance. Et le prophète, comme je disais, il a fait, il a passé plus de 13 ans n'est-ce pas À, à 13 ans à la Mecque, mhm. sous cette torture-là. Mhm. Les Bédouins viennent lui cracher. Mhm. Les Bédouins viennent les choses. On déverse même les, les poubelles de leurs excréments, de leurs ordures devant sa porte. Mais quand ils sortent, ils ramassent la amènent ça loin de la ville. On met des obstacles sur, son chemin. La, la, rue qu'il emprunte pour aller à la mosquée, on met des épines, on met des bouteilles cassées, on met des les mm. villes de verre, de glou, de mm. tout, ça là, pour mm. qu'il soit. Tout ça là, il a vécu ça ouvertement. Mais ce qui a beaucoup effrayé et surpris le courage de la Mecque, c'est quoi C'est le degré de tolérance. Toutes les invitations, toutes les invitations à leur cérémonie, à leur jouissance, à leur, à euh, à euh, manifestation, qu'ils ont adressées au prophète, il a participé. Il n'y a aucune invitation qu'ils ont adressée pour qu'ils participent à leurs choses là qu'ils n'ont pas participé. Mm-hmm. Si c'est un baptême chez eux, ils participent. Mm-hmm. Si c'est un euh, une justice, la seule chose, la seule chose qu'ils n'ont pas fait, c'est de partager leur plan. Ils n'ont jamais mm-hmm. partagé leur plan. Et le, courage était même surpris. Ils ont même peur. Mais est-ce que c'est pour rien que c'est Mohamed là vient à nous, à nous alors ah, malgré tout ce qu'on lui fait. Parce que ça les interpelle, ça les torture. Et Allah lui a dit ce qu'il faut dire devant ce genre de questions, devant ce genre de sentiments. Il a dit Et c'est là même on a compris que effectivement même les, les, pratiques euh, euh, animiste animistes et autres là, c'est une religion quelque part. Mm, mm, mm. Les autres là. Allah a évoqué que c'est une religion, mais les religion pour ceux qui les pratiquent, parce qu'ils croient à quelque chose, n'est-ce pas Donc, le vous avez votre religion, vos, vous rites là que vous faites, les mêmes, donc je ne, je ne partage pas votre plat, je ne partage pas votre sentiment, mais je participe, je m'acquitte d'un devoir c'est celui d'un frère à un frère. Parce que dans un autre hadith encore, le professeur a dit que le musulman ala akhi mhm. Mhm. le, le, le, le droit d'un musulman sur son frère mhm. et vice-versa, c'est au nombre de six. Il dit la salutation d'abord et la réponse aux salutations. Ça fait deux. Il dit, et si tu apprends euh, quelque chose de jouissance, des, des, fêtes, des, joies chez lui, mm-hmm. tu ton voisin. Mm-hmm. Si tu apprends aussi qu'il est malade, il faut le visiter. Mm-hmm. Tout ça, le prophète le fait, avec le courage, malgré les, crachats. Et si, tu vois leur janaza, il faut la suivre. Si tu vois vraiment leur de l'accompagner euh, jusqu'à mm, N'est-ce pas Si tu vois si tu le vois dans un obstacle, il faut le sauver, il mm. faut le secourir. Mm. Si tu vois quelque chose qui va le blesser, secourir avant même, euh, sans même lui parler. Donc, il y a un certain nombre de choses, de qualité que le prophète les a montrées. Et en plus de, ces, de cette sourate que je viens de lire, mm-hmm. n'est-ce pas Donc, ça là, ça, ça a poussé certains classiques mm-hmm. de Koresh, mm-hmm. de Abu Sufyan et autres, la devenir en pleurant avec des langues chaudes. C'est tout ce qui l'importe. C'est des centaines et des centaines de couches qui étaient contre lui avant, ils ont adhéré à l'islam. Et comme encore lorsqu'il a quitté la Mecque pour aller à Médine, oulala là mais c'est un monde fou des, villages environnants. Quand on apprend que ah, le prophète a quitté la Mecque pour la Mecque, pour euh, Médine, là, les suivent. Pour aller apprendre la religion, apprendre la foi, la mm-hmm. science mm-hmm. et l'éducation, la pédagogie. Mm-hmm. Donc, de 13 ans, 13 ans à la Mecque, euh, on suffit, en tout cas pour faire comprendre à beaucoup de collèges voilà. Euh, et qui, qui ont fini par accepter cette religion. Voilà, et pendant 11 ans encore, euh, à Médine, là, 10 ans, n'est-ce pas À Médine, il a gouverné. Il gouvernait de plus en plus temporairement il a fini sa vie quasiment comme un gouverneur de toute la péninsule arabique. Vous voyez, tous les gens ont adhéré, les gens sont venus. Des bédouins venaient, parfois, l'insultaient avant, mais maintenant, c'est même bédouins, là, il vient la, tête baisse. La tête baisse comme ça, mais pour même pas les regarder pour, les actes qu'ils ont posés, et sans résultat, pour rien, pour ne rien gagner en, contrepartie. Donc, euh, euh, euh, l'intolérance n'est pas musulmane, l'intolérance n'est pas surtout les leaders religieux. Simplement parce que, euh, Ismaël, euh, il faut qu'on reste nous-mêmes. C'est quoi nous-mêmes Nous avons tout tout ce qui sont pour communiquer. Mm-hmm. On ne les garde pas pour nous. Et si on ne connaît pas, ne faisons pas de complexe demander ton frère. Moi, si je ne connais pas ou j'ai oublié quelque chose, de Ismaël, qu'est-ce que le verset a dit ou bien qu'est-ce que Allah a dit par rapport à tel, sujet. Mais tu me rappelles, tu me mets, mais c'est pas un problème. Mais, les gens ont de complexes, Ismaël. C'est ça le problème, malheureusement. C'est ça notre problème aujourd'hui. Et partant de là, ça, devient même une déchirure. Donc, c'est là où je dis, j'ai rappelé le verset qui dit que ne soyez pas en conflit mhm. entre vous n'est-ce pas mhm. pour des simples euh, euh, futilités mhm. n'est-ce pas pour des simples choses futiles et quand vous le faites Allah a dit que votre force va vous quitter vous serez vulnérable on peut vous arrêter aujourd'hui les musulmans qu'est-ce qu'ils nous disent on se pose la question pourquoi toujours les musulmans pourquoi toujours les musulmans mais c'est à cause de ça nous avons quitté, nous avons laissé notre, notre foi, notre force nous quitter. <laughs> On est devenu vulnérable. Tout peut nous arriver. Ben bien sûr. Tout peut nous arriver si on ne change pas. <laughs> Et Allah a dit donc faisons attention. Vraiment, ce comportement-là, change parce que mhm. Allah a dit que, euh, euh, certes, certes, très certainement, mhm. Allah ne change pas ce qu'il a. Une communauté mhm des souffrances, <laughs> des malheurs, des maladies, de ce que nous voyons aujourd'hui là dans ce climat du bonheur oui, du bonheur, oui, mhm. Allah nous le changera le quand vous allez changer ce qu'il a dans votre mhm. cœur mhm. et individuellement ou collectivement il faut qu'on change ces sentiments d'intolérance ces, ces, ces, ces, sentiments de de, de, la, de non-amour entre nous n'est-ce pas de non-entraide de, de, de contraire ce que ce qui est bien pour nous, <laughs> il faut vraiment qu'on rejette ça si on veut que tout ce qui nous voulons aujourd'hui là, des malheurs et des choses, et tout ce qui nous voulons de bonheur là augmente. <laughs> Il faut qu'on revienne à ça. Faisons un effort, on va voir. Parce que quand Allah te dit de faites ça là, mhm. tu vas voir, faites, tu vas voir. il bien là Donc il faut faire, tu vas voir. Mhm. Mais ne soyez pas comme ce qu'Allah a dit, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Est-ce que vous pensez euh, euh, euh Être euh, conseiller, conseiller les, les, les, les, euh, les gens sur de bonnes prestations, sur de bonnes moralités et, et, vous vous oubliez, vous, vous, vous montrez un, un, un, caractère tout à fait contraire vous conseillez les gens de faire telle, telle, telle, chose de bon. vous manifestez le contraire. Euh, vous, vous ne ça va pas. Alors que c'est vous-même qui lisez, qui, connaissez lire, et les gens à qui vous dites là, ils ne connaissent pas lire le Coran, L'équitable, Kitab, les livres. Et c'est vous-même qui sont capables, qui ont la qualité de lire les livres, les informer, les enfants sortir tout ce que vous dites là, de bon comportement. Et vous, c'est vous-même qui, qui, lisez le Coran là. Mm. Ne, ne, vous, ne, vous faisiez pas une idée mm. de ce que vous faites comme, mm. comme, comme, comme, danger. Donc ici, faisons attention. Et si on s'engage, si on se déclare défenseur de l'islam, jusqu'à créer une association pour servir l'islam, pour servir Allah et son prophète et tous les autres prophètes pour servir les musulmans, pour servir nos patries, <laughs> n'est-ce pas, pour servir nos peuples, pour servir notre pays, pour servir nos maisons, nos familles, <laughs> nos voisins, nos quartiers, eh bien, quand on crée une structure, il faut respecter la conscience par laquelle les jours où tu vas te sentir que toi, tu préfères être Hassid ou Chess, <laughs> tu laisses de côté cette association, tu enlèves la chemise de de, de ulama, de, de muallam, tu laisses ça de côté et tu te restes toi-même. Si tu es Issa, tu es Issa. Si tu es euh, Abdou, tu es Abdou. Mais pas Faqih Abdou ou Malin Abdou ou Cheikh Abdou. Ah, ah. donc, tu es, tu, es, simple chose. En ce moment tu mets de côté cette affaire de, de, de, de, de l'acte qui te donne la qualité, la capacité de servir la nation, de servir les musulmans, de servir l'umma. Euh, c'est comme ça. Mm-hmm. Il y a un prix à payer. Ou si tu restes maintenant, tu fais les choses civiles, là, ne t'infiez pas à ce que l'autre fait ou ce que l'autre va penser. non, non. Tout à fait. Toi, tu as le Coran, tu le lis, tu l'expliques comme nous le faisons aujourd'hui. Mm-hmm. Mm-hmm. Nous, nous lisons, c'est pas notre parole, voilà, c'est des, trucs, c'est des écrits qui sont là. C'est ça, c'est pour cette, cette, cette valeur-là qu'on crée une association, ni plus ni moins. Et J'en appelle. J'en appelle vraiment nos frères et de ne pas euh, vraiment se décourager. On a encore le temps. Mm. Et euh, vaut mieux, tard que jamais, comme on dit. Mm-hmm. Donc il faut se ressaisir. Mm-hmm. Il faut vraiment rester nous-mêmes. Quand on prend un engagement, eh bien accomplissez-le. Mm-hmm. Mais n'ayez pas vraiment une sorte de jalousie, d'intolérance envers les autres. Ça ne nous avance à rien et ça casse même ton élan d'un intellectuel ou ton élan d'un être humain qui a une conscience normale. Voilà à, peu près ce que j'ai Alors, comme nous le disions, euh, aussitôt, euh, la liberté est accordée, la formation des associations euh, donc, a vu le jour. Et nous le répétons, un travail gigantesque a été abattu Allah subhanahu wa ta'ala Il y a euh, au départ un réveil, un rappel. D'abord rappeler les gens à prier. À l'époque euh, avant 80 en 90, il n'y a aucune femme qui porte le hijab au Niger en 90, 1990. 91, libération de la conscience, création des associations et les oulémas, les associations, euh, ils ont commencé D'abord à, rappeler les gens comment il faut prier, d'abord la nécessité de la prière, comment il faut prier. On a beaucoup euh, activé euh, le, désir de ceux qui veulent donc euh, construire des mosquées. il y en a un peu partout. Les oulémas ont occupé ces mosquées. Les radios à l'époque, on se rappelle comme il n'y avait pas beaucoup de médias, quelques radios, euh, il, fallait payer très cher pour passer, n'est-ce pas, une émission. C'était payant, vraiment payant et souvent très cher. Et on avance, on avance, tout se développe, euh, n'est-ce pas, le nombre de médias augmente, le nombre également de prédicateurs augmente et le travail est et donc apparence ça se voit, de la visibilité, on entend partout des prêches au point où je dirais, sans regarder à gauche ou à droite, que le Niger fait partie des pays où on prêche le, le, plus, plus. je, ne pense euh, pas être un pas voilà, voilà, tout à fait. Donc, il y a un travail qui a été abattu. Il y a un suivi qui était là aussi. Les gens, les mosquées étaient remplies. À l'époque, il y avait combien de mosquées de, de vendredi à ami Une seule mosquée. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de compter. Les, les, les, les adeptes dans toutes les mosquées aujourd'hui sont remplies et, on a ouvert des makantas. Les femmes, comme, et ça c'est important, il y a un travail gigantesque aussi qui est fait de ce côté-là. La, femme a pris conscience de son islamité. Mhm. Non seulement elle s'est habillée correctement, mhm. conformément au commandement de l'islam, mais également elle a trouvé la nécessité d'aller s'informer, d'apprendre sa religion. Parce que à un moment donné, même la femme de l'imam de ton village ne peut pas lire la fatia correctement. Mm-hmm. Et c'est le cas justement aussi de beaucoup de femmes. Aujourd'hui, surtout les intellectuels ont pris les choses en main et elles ont compris que c'est utile de venir apprendre cette religion. Et un travail là aussi a vraiment été abattu et Alhamdulillah, la jeune fille euh, aussi, euh, il y a eu les compétitions entre-temps dans la lecture du Coran. Donc, enfin, il y a un engouement, vraiment un travail a été abattu. Mais plus on avance, euh, plus on constate qu'il y a, je ne dirais pas un relâchement dans, le, dans la communication, mais à l'intérieur de cette communication, on constate qu'il y a des, je ne sais pas, on a, on a commencé à cultiver un sectarisme religieux qui fait que finalement on a compris que aussi, à, l'époque, à un moment donné, il y avait juste cinq associations ici à Niamey, mais elles, elle euh, faisaient trembler les gouvernements d'antan. Euh, aujourd'hui, il doit y avoir un peu plus de 100, je suppose. Mhm. Alors, euh, comme tu disais, il ne suffit pas de créer une association, c'est un engagement qu'on a pris verticalement, parce qu'on a dit qu'on va faire le travail d'Allah sur euh, la, pédagogie, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'État qui vous a donné cette autorisation aussi, là un engagement a été pris, c'est de vous conformer au statut et à vos règlements intérieurs, et etc., etc. Donc, il ne suffit pas de, créer l'association et un objectif en toute association, il faut chercher à l'atteindre. Et aujourd'hui, euh, la société, euh, je, je, je, ce que je ne comprends pas, malgré malgré ce volume de prêche, on constate que la société, est réticente à, l'acceptation de certaines, de certaines lois. Mais, Prenons l'exemple, excuse-moi, pendant le mois de Ramadan, à chaque fois, il faut qu'on dise aux gens, n'augmentez pas le prix. C'est-à-dire, voilà des, des, des, petits exemples comme ça. Et, et, vivre dans la société aussi, c'est respecter et tout tout ce que la société a imposé tant que cela ne contredit pas les lois de la ta'ala. Donc un bon citoyen, le musulman doit être le, citoyen exemplaire. Il doit être à l'heure, à son service, ne pas accepter de hachiches, ne pas se laisser corrompre, ne pas, ne pas, ne pas alors, c'est très bien, l'État aura à gagner si tous les fonctionnaires craignent Allah subhanahu wa ta'ala, si tous les fonctionnaires suivaient l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il suive pour être un bon musulman, c'est-à-dire être un croyant vraiment sincère. vous savez, tout ce que vous dites là, c'est que c'est comme si euh, ce que disait Hausa, Ana Tumka, Ana Tumka de C'est-à-dire, Qu'est-ce que ça veut dire Tu sais, vraiment, les gens, aujourd'hui, nos mosquées sont pleines. Moi, quand je vais la mosquée où j'ai pris le vendredi, là, je t'assure que je négocie même la place. Euh, euh, la Je négocie là où ils me mettent. Vraiment, alhamdulillah. Mm-hmm. Mais c'est que le problème, est-ce que les gens gagnent ceux qui sont partis chercher la voile mm-hmm. Les gens sont partis non seulement faire la ibada, adorer Allah subhanahu wa mm-hmm. accomplir leur, euh, leur devoir des musulmans, mais aussi apprendre quelque chose. Mais est-ce qu'on leur apprend parce que quand il faut se dire la chose, Quand tu entends, par exemple, un, un, un, un leader religieux, un ouléma, ou l'imam lui-même, ou le malam là qui, qui, anime les fidèles avant que l'imam arrive là dit des choses en faisant allusion ou des invectives à quelqu'un d'autre qui fait quelque chose et qui est lui-même mal. Mais, chose. le résultat est ce que tu dis. Mm. Les gens sont, vraiment découragés, sont, sont, sont, déboussolés. Parce qu'en en fait, mais qui il faut suivre alors voilà. Qui il faut suivre mm. Mais c'est ça. Nous donnons un obstacle désolant. Mm. Tout ça, là, ça dérive de l'intolérance. L'intolérance l'impuissance même des, des, qualités de quelqu'un. Euh, Allah a fait mais ça il faut il faut s'en remettre mais pourquoi les gens ne travaillent pas dans leur mission de mal la l'explication de, de, hein? Allah a mis Allah a dit dans un verset j'ai posé au-dessus de chaque savant un mm-hmm. autre savant plus savant que lui. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu auras toujours quelqu'un qui est plus intellectuel, qui est plus savant que toi. C'est ça les versets. Et, mais pourquoi les gens ne veulent pas accepter cette, cette évidence-là Mais il faut pérenniser ce qu'il dit et continuer. C'est comme ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui décourage la population. Ils ne croient même pas. Euh, on nous critique de tous les côtés. Vous, les associations islamiques, là, nous, vraiment, mieux vaut que vous n'existez même pas. Nous, on ne sait pas pourquoi vous êtes nés. Nous, on ne sait pas pourquoi vous annoncez. Wallahi, moi, j'assiste à des choses comme ça, là. Nous sommes interpellés à tout à travers. Simplement parce qu'on n'a même pas d'explication, non parce que c'est vrai. Des invectives entre nous, des indirects, de l'intolérance, des, des, sectarisme, du sectarisme, comme tu as dit dans ton chapeau là. Mm-hmm. Mais, mais ça là, qu'est-ce que ça va donner dans ta mission? Mais Allah va te demander, est-ce que c'est moi qui t'ai dit de faire ça mm, mm, mm, le jour là, tout ça là, c'est dans ce, dans livre là, dans ton livre. Allah va dire que lis, c'est un verset de son Coran, lis dans ton livre ce que tu as fait toi-même. Mm-hmm. Aujourd'hui, mm-hmm. c'est le jour du mm-hmm. jugement tu, vas avoir mm-hmm. le les, règlements de compte. Règlements de compte. Mm-hmm. Est-ce que moi j'étais envoyé pour critiquer un tel mm-hmm. Est-ce que j'étais envoyé pour mener euh, la Oumma vers, vers ces choses-là, contre leur autorité, contre ces choses. dit Al-Ulama ou c'est un hadith. Ça veut dire... L'Ulama vous al-Anbiya, le prophète lui-même, il a dit que les ulémas, c'est-à-dire les, les marabouts, les, les chèques, les prédicateurs, les imams, tout ce qui est marabout, ce sont des héritiers du prophète, c'est-à-dire en l'absence à l'absence du prophète, c'est eux, c'est les références. Le prophète lui-même, il a dit, le jour où il va quitter mm-hmm. et son dernier mot où il va quitter ce monde-là, mm-hmm. les Sahaba, ils pleuraient, les Abu Bakr, les Omar, les mm-hmm. Osman, ils pleuraient, tous les Sahaba, ils pleuraient, tous les, les, les, les aimables du prophète, ceux qui aiment le prophète, ils pleuraient vraiment. ils agonisent, ils disent Ya Rasulullah, bima taraktana. Quand, quand ils quittent, parce que nous savons que tu vas quitter. إنهم ميتون وإنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون on sait que tu vas mourir comme les autres qui vont venir après vont, tout, vont tous aller mais sur quoi est-ce que tu nous, as, tu nous as laissé il dit تركتكم بكتاب الله وبسنتي وبسنة خلفاء الراشدين المهديين addu'o alaiha bin nawjat sur quoi est-ce que tu vas nous laisser Quelles seront nos quand tu ne pas là a chez on va aller demander dit Je vous laisse avec les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mhm. La sunna d'Allah, c'est le Coran. Mhm. Cherchez dans la charia, dans le, dans le, dans le Coran. Mhm. Wa taraktu bi sunnati. Cherchez dans ma sunna les hadiths, les hadiths sahiha. cherchez, quand il y a une situation qui se pose à vous, mm-hmm. cherchez dans les hadiths. Si vous, ne trouvez pas dans le Coran, mm-hmm. cherchez dans les hadiths. Mm-hmm. Et si vous ne trouvez pas dans les deux, il dit c'est-à-dire les, les, les points de vie des, des parce qu'ils sont donc ici vous voyez le prophète a dit à mon absence référez-vous je vous laisse à Sunna d'Allah. subhanahu wa mhm. la tradition d'Allah, c'est le Coran. Mhm. Toute situation cherchez la solution dans le Coran. Mhm. Si vous ne trouvez pas, dites Maintenant, cherchez dans mes hadiths où j'ai expliqué certains théorèmes qui sont dans le Coran parce que le Coran euh, les versets du Coran là, il des paraboles. Mm, mm, mm. C'est des générateurs, il a des paraboles. Il faut les détailler par les hadiths, par les explications des, des, des, des, des, ulama. Les ulama expliquent certaines choses, n'est-ce pas Donc ici, il dit, ensuite, si vous ne trouvez pas, je vous laisse maintenant avec la sunna de Khulafa Rashidin, mes compagnons et tous ceux qui les, euh, qui les ont accompagnés, eux aussi, les éléments, jusqu'à nous autres qui sont là. Il faut venir demander chez un il faut venir demander chez un faqih. Donc c'est ça. Et nous avons ce rôle-là, nous avons cette mission Ismaël. Donc, on ne crée pas une association islamique. Association islamique, je dis bien, je ne connais pas les autres. Mais association islamique, on ne crée pas pour rien du tout. On ne crée pas si ce n'est pas pour aider l'islam. Et on ne crée pas pour critiquer. Moi, j'ai mon association, je suis à l'aise pour pour, régler mon compte avec Internet. Ça, ce n'est plus une association islamique. Tu n'es plus un érudit, tu n'es plus un marabout, tu es autre chose. Donc, elle ne crée pas une association islamique. diviser la population. C'est pas possible. Donc, c'est pourquoi tu constates effectivement ce que tu dis là. Les gens sont réticents, sont un peu perdus, quoi. Mais à qui on va se confier Quand tu prends même euh, les télévisions, la presse, tu vas entendre quelqu'un qui va faire des. Il ne peut pas faire son, son émission, son oise, finir sans indexer un autre. Et l'autre va il, il, il, répondre. Oui, et où est-ce qu'on va avec ça là Et les, les, les, les musulmans le regardent, c'est c'est comme un père et une mère qui, qui se bagarrent. L'enfant est au milieu, le regarde passer, le regarde qui, qui va suivre. Qui, chez qui C'est ça justement. mais, mais, mais, on est dans ça effectivement. Et tout ça, les dénominateurs comment c'est quoi C'est l'intolérance. L'intolérance religieuse, l'intolérance. En islam, ce n'est pas un, héritage. Le Coran, ce n'est pas l'héritage d'un tel. Pas, on n'a pas dit que c'est un tel seulement que si si lit le Coran et le Coran. C'est un problème de famille. Mm-hmm. Non, mais c'est pas ton bien. Mm. Euh, c'est le bien de tout le monde. <laughs> Chaque musulman est censé le connaître. Oui, l'exploiter de, son niveau. Quand vous allez finir là, Allah va vous faire les, ce qu'on appelle le rose quoi. Mhm. Il va vous capitaliser ça et il va dire que mhm. c'est ça que vous avez amagasiné mhm. pour votre vie. Vous avez amagasiné des comportements, des actes, de ceci, de cela, même des richesses, des biens, des matériels, de ceci, de cela. et eh bien, il dit goûtez. Goûtez aujourd'hui ce que vous avez creusé pour, pour vous-même. En bien, alhamdulillah. Eh, oui, <coughs> justement, vous allez goûter les, deux goûts. Mm-hmm. Les deux goûts, bien sûr. vous avez préparé. Bien sûr. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, <laughs> non, c'est comme ça. C'est comme ça, Parce que quand on ne s'entend pas, euh, voilà, déjà de même les, même les, même Kitab qui ne sont pas de notre religion, mm-hmm. on a dit de ne pas les, s'opposer mm-hmm. Il faut les écouter, mm-hmm. il faut les raisonner. Voilà toujours de l'Ahl Kitab. Illa billati ahsan. Illa billati ahsan. Ahsan. وأمركم شورى بينكم Il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi les gens ne pas ces versets-là Ils vont dans d'autres choses. Ah, mais c'est ça le ah, Moi, je qu'il y a une lecture euh, <laughs> diagonale du Coran. c'est l'intolérance, c'est l'inacceptation de l'autre. Mm-hmm. Un tel n'a pas qualité. Là où je suis là. Moi, j'ai entendu un malade, un qui dit c'est des ondes que. Euh, euh mal <laughs> des chiens des marabouts qui ne connaissent pas Ashmaï, qui ne connaissent pas les choses. Mais ce sont ces gens-là qui aujourd'hui parle au nom de l'islam. Mais quand on est abouti jusqu'à ce niveau bas, Ismaël, ah, c'est dangereux pour nous. Ah L'intolérance est comble. Ah, fait. c'est genre de choses-là, mais c'est pas pour un marabout facile. Mm, mm, mm. Le marabout, sa langue-là ne devrait pas faire sortir certaines Tout à fait, tout à fait. ومن ومن كان ومن يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خير او ليصمت او ليصمت كي كون à الله croit او jugement dernier là qui on va les on va on va les juger on va les donner vraiment les, mm -hmm. la punition qu'il faut mm -hmm. n'est-ce pas ou il dit ce qui est vrai oui, est ou le meilleur c'est de s'éteindre c'est de s'éteindre mm -hmm. mais qu'est-ce que ça te coûte de t'éteindre quand tu as entendu un tel là, il a menti ou bien il a dit des choses là. Ne lui réponds pas, va le trouver. Exact, tout à fait. C'est-à-dire que je mais c'est où mhm. c'est verset là, voilà ce qu'il dit. Et voilà Asbab ce les, les, le causes ou le mobile de, de la révélation. De l'arrivée de ces versets là. C'est pour le tel sujet là. Où est-ce que tu as eu ce que tu as expliqué là Donnez calme. Tout à fait. Donnez calme, sans bagarre. Mhm. Lui-même, il va regretter, il va dire va vraiment, un peu, fait, c'est pour un peu oui, ça peut arriver la Oui, c'est oh, une erreur, je me suis trompé, ça peut arriver. Eh bien, va dire aux gens que c'est pas ça. Voilà. Moi, je ne peux pas te contredire. Voilà va dire aux gens qui vraiment j'ai un, vice de langage d'avoir la mhm. fois passée mhm. au, lieu de telle chose entendez telle chose c'est pas pas non et c'est fini c'est pas non tout à fait mais le prophète a dit Tout fils d'Adam fait des erreurs, mm-hmm. il se trompe. Mais le meilleur de ceux qui se trompent, quand ils te rappellent, mm-hmm. c'est ceux quand ils se rappellent qu'ils ont fait l'erreur là, ils corrigent, ils disent que, tel, j'ai fait telle chose là la fois passée, c'est une erreur, c'est pas ça, voilà la vraie version. Mais c'est très rare d'entendre ça. Mais, mais, mais c'est la, règle, c'est la règle. Il de Rare ou de toute façon, on ne parle pas de, la règle <laughs> Ici, on parle de la règle. C'est peu près le laisser. où on a la qualité de malhommes, on accepte tout ça là, on le fait, ou on n'a pas la qualité. Eh bien, on se résigne. vraiment, il faut se, vraiment laisser cette affaire-là. Tout à fait. L'autre aspect, c'est que les musulmans ne sont pas les seuls à, à communiquer. Il y a d'autres religions aussi parallèles qui sont en train de, communiquer aussi, de, faire de la prédication. Et, à l'intérieur de ces mouvements ou de ces, de ces, de ces religions, entre guillemets, euh, n'est-ce pas, il y a ces divergences-là. Si, si nous cultivons chacun le sectarisme, euh, et c'est ça le, plus grand drame que nous avons, mais ils ont les mêmes, les mêmes choses. Hein, les, même mêmes cas de figure dans d'autres dans d'autres religions, mais on ne les a pas entendus euh, vendre leurs différents euh, au marché comme nous le faisons euh, aujourd'hui. Je viens, je dis ça c'est blanc, tu viens tout de suite, tu dis non c'est noir, et, comme tu dis, donc les, les, les, les, auditeurs ne savent pas exactement à quoi s'en tenir. Donc il faudrait que les musulmans le, comprenne, comprennent, il faut qu'on fasse taire ces, ces genres de divergences-là. D'abord, euh, souvent qui sont inutiles, <laughs> ce n'est pas ça l'essentiel. Euh, on ne discute pas sur les prières, on ne discute pas sur euh, tout ce qui est règlement du jeûne, etc., etc. Mais c'est sur des choses dont on peut se passer. il faudrait que les musulmans, alors, ils, arrêtent et, se disent, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire Il faut arrêter cette divergence qui ne fait que créer ou euh, alimenter un esprit divisionniste à l'intérieur même de, de, notre communauté. il faut qu'on fasse tel et, mais malheureusement, comment Il y a cette liberté aussi qu'on a de, de, prêcher. Il n'y a pas un système qui, qui régule tout cela, euh, n'est-ce pas Et, et c'est peut-être un tort, c'est peut-être une carence, euh, le fait que chacun peut venir et je ne sais pas si c'est au ministère de l'Intérieur de s'occuper de, cet aspect des choses-là, mais quand un pêche a un caractère incendiaire, eh, il faut il faut il faut qu'il ait un système, eh, je ne sais pas, eh, d'arrêter ce genre de discours. vous savez, vous savez, le ministère de l'Intérieur, c'est nous-mêmes. Ah bon Le ministère, de l'Intérieur, c'est nous-mêmes. Le ministère de l'Intérieur nous a donné une, un laps de pouvoir d'État à travers les, l'arrêter là. liberté de, oui, de nous exprimer. Euh, oui, elle a de pouvoir parce que l'État a le devoir de couvrir, effectivement, d'animer la population du point de vue religieux. L'État a le devoir de veiller sur la, les mosquées, sur les macarantas, sur les choses. Donc, on nous a donné, l'État nous a donné, nous a affecté un laps de pouvoir là, en nous donnant un arrêté dit que, vis la Constitution, vis ceci, vis cela, c'est cela, vous, on vous a conseillé l'autorisation d'aller faire les choses, vous avez la qualité, nous avons eu votre dossier. Occupez-vous de ça là. il faut nous surveiller ça. Moi, État, il faut me surveiller ça. C'est pourquoi je dis que le seul intérêt, c'est nous-mêmes. Mais l'État ne peut pas avoir un droit de regard. Bien sûr, j'arrive. J'ai dit d'abord, dans un premier temps, l'État, c'est nous-mêmes. Oui. C'est-à-dire, c'est à nous de nous faire notre propre euh, mais pas notre mm. propre. Euh, l'état, je mhm. vraiment d'esprit. Mhm. D'abord, est-ce que j'ai la qualité de faire le vase Est-ce que j'ai la qualité d'être imam mhm. Ça, c'est pas à l'État de dire que non. L'État va venir, je vais, venir. Mais c'est à nous d'abord de dire que, hé, Mustapha, tu ne peux pas être. C'est une responsabilité, tu rends compte. Hé, Hey, hein. eh, Mustapha, tu ne peux pas être. là. <laughs> Mais c'est ça justement, d'abord, donc je me punis moi-même. Je me punis moi-même. Maintenant, l'État, lui aussi, il a une règle laquelle il travaille avec. Il faut allier tout le monde sur cet angle-là. Mais c'est ce que l'État ne fait pas. C'est ah. lui-même qui est démissionnaire. Ah c'est le ministère de qui est démissionnaire. Mm-hmm. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. Excusez-moi l'état Excusez-moi l'état Allah m'excuse par rapport à ça là. Parce que j'ai vu dans un milieu associatif, mhm. il y a des leaders d'associations islamiques, s'il qui sont des taximans, qui sont des garagistes, qui n'ont rien à voir avec, n'ont même pas le temps pour regarder le Coran. Mhm. Je vous assure, vraiment que Dieu me préserve, que Dieu me mhm. c'est pas pour les, les, humilier. C'est un, constat que... un constat que j'ai fait. Et tout cela, c'est pas leur faute ils ont l'ambition, ils ont l'ambition, ils ont envie d'aider l'islam. Mhm. Même mhm. s'ils ne l'ont pas ça. Mhm. Mais c'est le d'intérêt de dire que voilà les prix à payer. Voilà les prix à payer. Pour que tu évolues dans, tel domaine-là, on ne peut pas te une autorisation. On fait l'enquête de moralité. Ça même te demander. On fait l'enquête de moralité. Mais lui, là, là il a étudié où Qu'est-ce qu'il connaît dans le Coran Quel est son niveau il est eh, Ce niveau d'instruction coranique, islamique. Mais on ne fait pas. On ne fait pas, Ismaël. Mais tu as l'habitude souvent de dire quand on confie une mission à des gens qui sont C'est un hadith. <laughs> C'est un hadith. Le prophète tu vois, quand le prophète dit quelque chose, ah, tu vas, tu reviens, tu vas le trouver. il dit Il a aussi euh, ah, à ça Le prophète a dit que si tu confies une mission à quelqu'un qui n'a pas la qualité, qui n'a pas la carrure, et eh bien de lui un temps, il va échouer. Donne-lui un temps simplement, regarde-le, il va échouer. Mets-le à l'observation. Fantasme de ça. <laughs> tu vois, mais c'est ça, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Mm-hmm. Les gens, où sont tous ces gens-là aujourd'hui Moi, je n'ai jamais vu ces gens-là au plateau parler de l'islam. Et on ne peut pas être un responsable d'une association islamique et ne pas se faire euh, valoir, être devant les musulmans, le bénéficier de quelque chose, leur <laughs> faire bénéficier de son savoir. Mais tout ça là, mais qui à la base C'est le ministère de l'Intérieur, c'est l'État. on nous confond. On parfois, c'est à notre corps défendant. Vraiment, on, est, on mouillé là, on est entre les gens qui. Nous savons que lui là qui est à côté de moi, mm-hmm. qu'on traite comme si nous sommes la même chose. Mm-hmm n'a pas ce que j'ai. C'est pas, c'est pas pour me vanter, mais c'est comme ça. Donc, tout à l'heure, il parlait des autres religions et, révélées. Qui les mêmes euh, les, hein? Mais tu sais, ce qui, ce qui se passe chez nous, c'est que c'est toujours le complexe de la grandeur des nombres. Ah bon notre nombre Non Et là, ils peuvent se permettre de. C'est un de leurs avantages ne pas de certaines choses, mais pas pas certains Parce qu'on va les écraser. Or, Allah a déjà dit notre nombre là. C'est comme ce qu'Allah a dit dans un verset hum hmm. C'est-à-dire, c'est comme le jour de, de, de la bataille de Hunayn. Hmm la guerre sainte de Honé. il y avait un nombre impressionnant de, combattants de, de, des infidèles, face aux musulmans qui sont un nombre très réduit. Eh bien, Allah a dit que c'est comme le jour de Hunay, le jour de la bataille de Honé, où leur nombre vous a impressionné, où leur nombre vous a fait peur, vous a tremblé, alors que leur nombre ne les a servi à rien parce qu'ils ont perdu la guerre. Donc c'est ça, en fait, nous avons un nombre euh, qui, qui, en fait, c'est pas ça. Au fond de nous, c'est un tigre en, carton, quoi. Tout à fait. Oui, Donc voilà c'est hmm. ce qu'il faut éviter. Vraiment, ces, appels que nous faisons, moi et toi, nous sommes tous des associatifs. Tu as dirigé une association, j'ai dirigé une association. Et tu es dans les associations, j'ai voulu dans les associations. C'est pour nous-mêmes. Hmm. Vraiment, c'est pas pour critiquer. Parce que certains intolérances, c'est nous-mêmes qui les créons. Hmm. Ou bien on crée les conditions pour que ça, ça règne dans la population. Parce que quand, quand on, entend une, voix ici qui dit les choses dans le même courant et l'autre qui dit le contraire, mm le même sujet, mm-hmm. mais il y a de quoi se poser la question. Donc voilà un peu euh, euh, ce qu'il faut peut-être euh, rappeler aux gens de faire attention, à commencer par nous, voir cette ambiance. Alors, un dernier aspect, c'est que il y a aujourd'hui dans euh, cette euh, abondante euh, transmission de messages, je vais faire allusion mhm. à, l'abondance, le volume des prêches. Mhm. Il y a aujourd'hui le problème de, de la problématique le problème de la thématique à traiter. C'est-à-dire, c'est bien de parler aujourd'hui de la. Je vais vous apprendre comment on prie. C'est vrai, il y a toujours des gens qui veulent apprendre. Mais je pense qu'il faut évoluer dans le choix des thèmes. Uh-huh. Euh, euh, euh, contextualiser les, les, interventions dans les radios et dans les machins, ce serait quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, il y, a la situation, par exemple, d'insécurité, n'est-ce pas On aurait souhaité que les, que les oulémas en parlent de cela euh, et, que par finir, la population serait consciente parce que c'est pas toujours que euh, les gens écoutent les autres discours. Donc il y a le choix des thèmes n'est-ce pas, qu'il faut aujourd'hui contextualiser, tout comme euh, une khutbah que tu dois faire, en haranguant toute euh, cette masse de gens qui sont venus le vendredi, il faudrait que ce que tu leur communiques soit quelque chose de présent. En rapport avec le, présent, moment. Mais vous, savez, Ismaël, pour, il n'y a pas beaucoup de temps. Et, je comprends là où vous l'avez. Mm. Mm. cest là où les gens ne savent pas euh, un principe qui est là. Non. Et dans, dans une sagesse islamique, al masura islamia, on dit que Tawamani, deux hommes sont des jumeaux dans la gestion de la cité, dans, dans la gestion des affaires de musulmane de, de la, du peuple. C'est qui et qui Mais c'est l'autorité, mm malik ou mhm. faqih L'autorité mhm. politique, mhm. administrative, le roi, le chef de canton, chef de ceci, chef de cela, et les malams, les faqih, les, les, les, les, guides religieux. Ils sont les deux. Pourquoi on dit travail Pourquoi on dit jumeau Parce que c'est à eux quand quelque chose dans le pays du Niger, la voie la plus autorisée, c'est l'autorité qui va dire que, ah, y a l'épidémie de tant, tant, tant, Maintenant, c'est à lui-même de dire que, attention, autant de prophète on a connu ça là. Voilà comment le prophète a dit de se comporter. Devant telle situation, voilà comment le prophète a, son, travail, son devoir. et les C'est ça la communication. Tu m'as demandé la communication. Donc l'État va dire, l'autorité va dire que, ah, vraiment, il y a telle chose. Ah, les pays courent le risque de guerre. Maintenant, les, les, marabouts prennent les relèves et, écoutez, voilà, les, euh, voilà qui, qui risque de s'allumer, au temps du prophète, voilà les stratégies qu'il a fait pour, pour, pour se défendre. Mhm. Donc nous vous appelons à ça. Restons ici, restons ceci, restons cela. Mais l'Iman, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a cette euh, complémentarité là C'est vrai, euh, donc il faudrait qu'il y ait une symbiose entre les autorités administratives. Là où, il y a, président ou ministre ou chef de la Ça, c'est la règle pour finir très rapidement, il n'y a pas beaucoup de temps. Ah ben, <laughs> Dans d'autres pays comme Iran, comme Pakistan et autres là, j'ai appris qu'Ismaël, quand on te nomme DG de, de Somaïl, DG de, de, de, de en même, temps, en, en même temps, c'est un décret. c'est un décret. C'est un décret spirituel qui va te nommer l'imam de quartier ou bien de, de, de, de, là où ta société se trouve là. Mhm. Tu es l'imam de ça, là, tu devrais animer. Tu ne devrais pas simplement jouer des des biens de l'opinion des choses quoi des postes des DG alors que ici tu ne serves les gens à rien alors que tu es un intellectuel donc c'est comme ça c'est vrai quelqu'un d'ailleurs disait que dans un pays où c'est l'État qui s'occupe des affaires religieuses vraiment l'État s'occupe des affaires religieuses. Il y a une section qui, qui, vraiment des gens qui sont là à s'occuper des, affaires religieuses, mais on n'a pas besoin de la création des associations islamiques. Euh, mais tant qu'il n'y a pas ça, c'est ce qui fait qu'on a créé. Alhamdulillah, c'est quelque chose de bien, comme nous le disons, un travail a été abattu, qu'Allah subhanahu wa accepte ce travail-là, mm-hmm. mais il est temps qu'une réforme à l'intérieur de tous ces mouvements-là soit observé mhm. observés et que à euh, ces oulémas aussi, euh, s'il y a une possibilité de leur c'est-à-dire, on a, on a vu beaucoup de forums, beaucoup de, de, de séminaires, mais pourquoi pas organiser Pourquoi le ministère n'organiserait-il pas Le ministère de tutelle, donc mhm. n'organiserait-il pas une, une formation, enfin, un, axe qui permettrait aux éléments de comprendre tout ça, qu'il y a complémentarité entre. C'est prévu dans une hein. Et pourquoi le ministère ne le fait pas C'est prévu, tout, une batterie de choses. Très bien. Maintenant, c'est juste peut-être le décret d'application de cette loi qui tarde, je ne sais pas. Mais sinon, tout est prévu. Et maintenant, on a même les besoins, mais les gens, personne ne, réfléchit vers là, ça mm. Mais tels sont euh, les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici. Tu l'as si bien dit, nous n'avons nullement l'intention d'indexer qui que ce soit. Nous-mêmes, euh, directement ou indirectement, nous en sommes euh, acteurs. Euh, ce que nous avons dit, c'est un constat. Euh, notre souhait est de voir ces choses-là s'améliorer afin que nous puissions servir Allah subhanahu wa ta'ala conformément aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mustafa, tu nous closes cette Alhamdulillah, Allahumma euh, fana maqranahu, Allahumma fana masranahu, la ilaha illa anta, Allahumma sallana dinana dinana, Allahumma sallana dinana.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'élément sera, Inch'Allah, rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Assalamu alaikum.

了。